et l'imam de la Faïda Toutijania. Aïwa, le seul mot que j'ai à dire, c'est un mot de remerciement d'abord à Yaï TV, et en l'occurrence à la personne de Mohamed Sanoussi, qui a bas un des travaux les plus remarquables au sein de la Faïda, au sein de la communauté musulmane, au nom de tous les musulmans, dans l'humanité, dans le savoir, comme dans l'amour des Aulia. En ce jour, nous avons reçu euh, le petit-fils de Cheikh Ibrahim Nias, à la personne de Cheikh Khalil, Ibn Cheikh Abdoulaye Al-Khalifa, Ibn Cheikh Ibrahim Nias. Il nous a fait beaucoup de prières, nous lui faisons également des prières. Et que Dieu accepte ses prières et que Dieu l'élève davantage et que Dieu le couronne du plus grand couronnement. Et aujourd'hui, la Faïda n'a plus à se justifier. Le seul nombre de ses disciples, de de ses adhérents, prouve la véracité de cette voie spirituelle dans cette voie, dans cette, ah oui, à travers chaque Ibrahim Nias aujourd'hui, des Chinois, des Malais, des Américains, des Africains, des Sud-Africains, des Arabes, toutes nationalités confondues, des Égyptiens ont adhéré à la Faïda Tijaniya. Nous demandons aujourd'hui de, justifier la Faïda Tijaniya serait fait une injure à l'intelligence de toutes ces intelligences, de toutes ces nationalités de divers horizons. Le conseil que nous pouvons dire aux Mourides Dieu merci, Cheikh Ibrahim Nias s'est beaucoup intéressé à la jeunesse. Il a dit que chaque pays sera tôt ou tard dirigé par ses propres enfants, mais par n'importe lequel de ses enfants. Une jeunesse cultivée, dévouée, déterminée. Et Dieu merci, Cheikh Ibrahim Nias nous, nous a accordé l'avantage sur d'autres jeunes. On a vu dans la faïda des jeunes épris de Dieu à tel enseigne qu'ils oublient leurs propres épouses. Donc déjà pour dire qu'ils n'ont même pas été livrés ni à l'épouse de la chair, ni, ni, à la passion de la chair, j'allais dire, ni à la passion du vin, ni à la passion de toute autre chose. Déjà, ce sont des jeunes qui ont des desseins très élevés, éminemment élevés. On a vu aussi dans cette Ouma-là, des jeunes cultivés, extrêmement cultivés. Notre frère Mohamed Sanoussi, qui aujourd'hui dirige cette très belle télévision-là, en est une preuve parlante. Il est polyglotte lui-même, parlant diverses langues, donc et érudit en langue arabe encore, et lui-même fils d'érudit. Dieu merci, nous dans ce pays-là, on essaie d'abattre notre petit bonhomme de chemin. Parce qu'on a constaté qu'il y avait un grand vide. Le vide n'est pas le manque d'instruction, mais le porteur de l'instruction doit avoir un comportement assez équivalent à l'instruction. Qu'est-ce que je veux dire on a demandé à notre mère Asha Rajalana quel était le comportement du prophète Mohammed Elle nous a dit le comportement du prophète était équivalent à celui du Coran. C'était le Coran euh, ambulant. C'est pour dire donc, si tu veux parler de Cheikh Ahmad Tijani, on doit remarquer en toi des qualités humaines assez remarquables. On ne doit pas aller vers le disciple pour l'exploiter et pour le dévier. Cela n'est pas bien et cela n'est pas bien séant. Donc je lance un appel à tout guide, quel qu'il soit, pour dire, avant de demander aux disciples de se former, il faut que le guide même se reforme. Il faut avoir des qualités mohamédiennes, de générosité, de partage, d'amour vers son prochain. Il ne s'agit pas seulement de brandir du savoir que toi-même tu ne pourras pas pratiquer et que tu veux que l'autre pratique. Mais même si tu ne lui dis pas, et que tu pratiques le 2% de ce savoir-là, à travers cette pratique-là, il verra lui-même comment cela s'est fait et il apprendra de lui-même. Donc pour dire à la jeunesse qu'il faut une jeunesse déterminée avec un décès assez élevé. Nous vivons sur Terre et la Terre est un passage. Ici, sur Terre, nous avons pour devoir de connaître Dieu. Et une fois que nous avons connu Dieu, il ne reste donc qu'à le servir. Parce que si tu connais Dieu réellement, il ne reste plus qu'à le servir. Toi-même, imagine-toi le président de ce pays, un instant T, et que tu rentres en contact avec lui. Tu vois sa largesse, tu vois sa générosité, tu vois l'étendue de son royaume. Tu voudras bien le servir. Tu diras, qu'est-ce que je peux faire pour toi, monsieur le président Mais qu'en est-il de Dieu dont Cheikh Ibrahim nous a fait grâce Si tu arrives à le découvrir et que tu n'arrives pas à le servir loyalement et fidèlement, et intégralement, cela veut dire que ta connaissance en lui n'est pas parfaite. Et cela montre une déficience vis-à-vis de cette connaissance-là. Donc nous lançons un appel de plus solennel que nous avons lancé il y a l'année dernière seulement au Mauloud euh, du prophète Mohamed Salassam à Medina Bay à travers cette très belle télévision. Yahi TV, malheureusement, les éléments ont été perdus pour dire qu'aujourd'hui, nous voulons une jeunesse déterminée et dévouée. Une jeunesse déterminée dans la propension de l'islam et dans la propagation de l'islam, dans la propagation de la tariqa tijaniya et dans la propagation de la faïda tijaniya. Et avec un comportement assez exemplaire et assez humain. Et nous voulons aussi appeler nos, amis pour leur dire que le monde souffre aujourd'hui, pas du manque de richesse, mais le, manque, le monde souffre aujourd'hui du manque de générosité. Du manque de générosité. Jamais le monde n'a été aussi prospère que maintenant. Aujourd'hui, quand on compte le PIB mondial, mais c'est plus de, je sais pas, c'est de plus de 15 000 milliards de francs, de dollars. C'est un exemple même que je dis. Tellement le monde est prospère aujourd'hui. Jadis, il, y a 100 ans, il n'y avait même pas de pétrole. Il n'y avait même pas d'exploitation de gaz. Il n'y avait rien de tout cela. Mais tout cela s'est rajouté aujourd'hui au PIB, avec tant d'autres matières premières. Mais pourquoi nous souffrons plus aujourd'hui que hier Parce que nous ne voulons même pas partager. Et le manque de partage crée plus de problèmes, plus de mal et plus d'angoisse, plus d'immigration. Et l'islam nous enseigne cela à travers la zakat. Si chaque musulman se préoccupait simplement à donner de sa zakat, et la zakat n'est rien d'autre que, si tu veux, en français CFA, on dira sur un total de 500 000 francs, donne 12 000 ou 12 500 à un pauvre. Nous avons fait l'expérience ici. Nous avons demandé à tous ceux qui pouvaient donner 12 500, quand bien même ils n'auraient pas eu 500 000 francs. Parce qu'en réalité, Dieu nous dit, si vous avez 500 000 francs, donnez de 12 500, 2,5 de cette richesse. Mais nulle part, il nous a été dit que même si tu n'as pas les 500 000 francs, il t'est interdit de donner les 12 500. Or, l'objectif du don n'est pas les 500 000, c'est bien les 12 500. Et ne sois pas du nombre de sceptiques. On a vu Cheikh Al-Islam Maulana Cheikh Ibrahim Nias qui a dit à Sidi Ali Sissé Prends cette somme-là, va la donner en zakat. Je crains que je ne meure sans faire la zakat. Parce que je n'arrive pas à avoir d'économie. Donc pour dire que ce que j'ai dis aussi tient des valeurs de Cheikh Ibrahim Nias. Et Dieu merci, d'autres même m'ont dit, chèque, finalement moi ce n'est plus 12 500 que je vais donner, je préfère donner 50 000 francs. D'autres ont dit, je préfère donner 100 000 francs. Finalement, on s'est retrouvé à quelques 700 000 francs qu'on a donné à une sœur qui aujourd'hui fait un commerce de plus lucratif. En c'est si tout le monde essayait de se de se prémunir de, ce, territoire de là mais la pauvreté serait reculée. Regardez un des pays comme le Nigeria, le pays le plus riche d'Afrique, mais en même temps, qui est l'un des pays les plus contrastés en Afrique. À cause de la disparité de la richesse. Tu vois l'homme le plus riche et tu peux voir l'homme le plus pauvre. Mais j'ai dit, si la zakat était faite correctement, ne pensez-vous pas, mes frères, que la pauvreté aurait reculé dans ce pays-là donc, je ne dis pas que la zakat n'est pas faite, mais je dis bien si elle était faite correctement. Et aujourd'hui, tous les pays d'Afrique souffrent de ce manque de solidarité. Si nous ne pouvons pas aller vers le prochain, notre prochain, pour donner de nous-mêmes, mais ce qu'on doit donner par obligation, là, donnons-le correctement. Et on nous le dira que non, il faut le donner discrètement. Non, je suis bien contre cela. La zakat, même de l'époque du prophète ensemble n'a pas été prélevée discrètement. Arrêtons. Ça a été prélevé publiquement. Et on a vu Sedna Aboubakar qui a levé une armée entière pour aller faire le combat pour que la zakat soit intégralement reconnue en islam. si c'était fait discrètement, pourquoi est-ce qu'il allait le faire Et d'ailleurs, même si c'était fait discrètement, pourquoi cela serait le deuxième pilier de l'islam après la prière c'est pour dire que ce n'est pas une chose publique. Le jeûne n'est pas fait discrètement. Euh, la prière n'est pas faite discrètement. Dieu nous demande de faire la prière en assemblée. Dieu nous demande de faire le pèlerinage. Le pèlerinage aussi se fait en assemblée. Le jeûne aussi, pareil, ça se fait en assemblée d'un mois prédéterminé. Mais pourquoi c'est quand on arrive à la zakat que cela doit être fait discrètement Ici, la discrétion, pas que je suis contre la discrétion, mais la discrétion permet aux vaniteux et à l'égoïste de s'échapper entre les filets des mailles. Si c'était fait publiquement, je pense que cela aurait incité plus de personnalités à compétir, à concourir, à aider le prochain, à aider son prochain. Nous avons souvent des budgets astronomiques qui sont gérés par des frères musulmans. Mais malheureusement, il se trouve que on ne voit pas l'impact de cette solidarité musulmane-là dans le don qui doit être fait chaque jour et en chaque moment. Nous appelons donc la communauté musulmane, dans sa globalité, dans sa généralité, de s'organiser en leur sein et de faire la zakat de façon publique et de la donner aux musulmans nécessiteux. Parce que c'est un instrument pour éradiquer la pauvreté au sein de la communauté musulmane. Et que Dieu nous aide. Et quant à la faïda de Ibrahim Nias, nous devons encore deux fois plus déterminer à appliquer les rites de la charia et de la sunna. Donc à cela, j'interpelle tous les jeunes aujourd'hui à se lever debout pour défendre la faïda de Cheikh Ibrahim Nias. Cheikh Ibrahim Nias nous a laissé des valeurs nobles, le travail. Lui-même, il était le plus grand agriculteur de son époque, de son temps. Ses champs sont encore là à Kossi et à Taïba et témoignent de cela. Il cultivait l'arachide, il cultivait le mil, le sorgho, le fonio, il cultivait tout cela. Et il a été décoré au titre de l'ordre du mérite par le président Léopold Sédar Senghor à son époque. Le mérite de l'agriculture. Aujourd'hui, faire seulement des zik et s'enfermer dans une chambre attendant quelque chose venir n'est pas, pas, pas louable n'est pas digne d'un disciple. Il faut se lever, conjuguer d'autres efforts, des efforts technologiques, des efforts intellectuels, des efforts de cœur, des efforts de, physique, afin de compétir avec d'autres personnes qui compétissent pour d'autres causes qui ne sont même pas des causes divines. Que Dieu nous aide à cela et que Dieu nous soutienne. Nous demandons la baraka et l'agrément de nos chouyouks. À, la, personne aujourd'hui de Cheikh Khalil, Ibn Cheikh Abdullah Al-Khalifa, qu'il prie pour nous afin que nous puissions réaliser beaucoup de merveilles dans ce pays. Et aujourd'hui, le complexe est celui qui ne veut rien faire. lui dit que Cheikh Gaussou est un miracle. Moulana Cheikh Bissam Hajbala Miaskhada. Le Cheikh dit Safar Kathira. Il dit beaucoup d'hommes ont voyagé pour. les les يريد هذا الأولاد جيل جديد مثالا أروت البحار الزاخرة إنني أروت القرى والمدن بلغ جبالا أروم رد البارز بنصر دينه وأبدل للجيل الجديد مثالا Il dit que beaucoup d'hommes ont voyagé, leur objectif de voyage c'était la possession d'autres trucs qui n'ont rien à voir à, à, à, à faire de Dieu. Mais l'objectif de Bagna c'était pour euh, implanter l'islam et puis faire avancer la cause du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم. فنقول بأن هذا الشيخ الغوزو أعجب من أعجاب مولانا الشيخ الإسلام عزوز. Et puis nous disons que Cheikh euh, Cheikh Gauzou est un mystère d'un mystère de Cheikh Brahmia رضي الله عنه. لأنه بصراحة. Et puis parce qu'en réalité Cheikh Gauzou لا يهمه إلا مولانا الشيخ الإسلام. Et Cheikh Gauss n'aime pas, pas quelqu'un d'autre si ce n'est pas Cheikh Ibrahim Nias. لا يفرق لا يفرق اي احد ياتي من المدينه الا وهو ما ينظر الا ينظر الشيخ الاسلام فقط. Et ce n'est pas jamais quelqu'un à Madina Bay, il regarde personne, il regarde, il regarde que Cheikh Ibrahim Nias, il regarde personne à Madina Bay si ce n'est que Cheikh Ibrahim Nias là-bas. هو ما عنده نفاق في ابناء الشيخ الاسلام ابدا. يحبون كل من. Tout le monde est unanime à, à, à cette remarque-là. كل من يأتي من المدينة Cheikh Gauss يقابله كأنه يقابل Cheikh Ibrahim Niass. Et puis tout ce qui vient de Madina Bay, Cheikh Gauss les accueille tel qu'il a accueilli Cheikh Ibrahim Niass. لأنه نحن لا نعمل مع الشيخ الإسلام إلا بمحبة. Il dit le travail de Cheikh Ibrahim ne vient d'autre que, que l'amour. هو قال ومن يحبني ومن يراني. Celui qui m'a aimé, celui qui m'a vu. ومن يحبني ومن يراني في جنة الخلد بلا بهتان إذ أنني خليفة تجاني. Il dit celui qui m'a aimé ou bien celui qui m'a vu, sans doute il est dans, euh, dans l'un des paradis. وهذا كلام aucun doute de cela. وهذا كلام كلا حق. Il dit toutes ces paroles là étaient la, vérité. لأنه آه، الشيخ محمد المشري مقدم لشيخ الإسلام في موريتانيا. Il dit الشيخ محمد المشري مقدم للشيخ آه، موريتاني. الشريف لموريتاني. الشريف un واحد مره زار الشيخ الاسلام الى موريتانيا. تقول فؤاد الى فعل زياره الشيخ ابراهيم نياس الى موريتانيا. الى في زياره الشيخ ابراهيم نياس الى في زياره موريتاني؟ الى بروس لا في قريته. دا سون فيلاج؟ نعم دا سون فيلاج وي. معطى مولانا. معطى مولانا. ولما زاره وقال انه الان هو وجد فرصه يحكي يتحدث مع الشيخ. Il a dit qu'il a eu un peu d'argent pour causer avec Cheikh. قال له أنا أحب أن أتعطيني اسم الله الأعظم. Il dit que je veux que tu me donnes le ism al-Azam. قال له الشيخ إبراهيم سحبه قال له نعم قال له هات كل ما عندك. Il dit Cheikh Ibrahim dit que envoie tout ce qui est avec toi. في ذاك الوقت. Il dit dans ce temps. كل الذي هو أملكه هو ملكه. Il dit tout ce qu'il avait obtenu. كلهم أعطاه شيخ الإسلام. حتى هذه السجادة وكل جعلوا في سيارة ذهبوا إلى المدينة لما انتهت زيارة الشيخ يريد يرجع إلى المدينة إيه، إيه، دخلوا بسيارة الشيخ إلى إلى إلى قال له تعال يا مشير Et il a dit, Mousse vient dans la voiture. Alors, أنت تحب اسم الله الأعظم؟ Il dit, tu veux le grand nom de Dieu? Alors, نعم. Il a dit oui. Alors, اسم الله الأعظم. Il dit, le grand nom de Dieu. هو محبتي. C'est ça que mon amour. M'aimer là, c'est ça que l'ism الأعظم. هذا هو اسم الله الأعظم. Donc c'est ça que le grand nom de Dieu. وشيخ غوزو هذا؟ شيخ غوزو qui est là? عنده اسم الله الأعظم. إلى الاسم الأعظم لأنه فاز بمحبة الشيخ باسكو إلى أن يأتي لامون الشيخ وهذا نشكره جدا Nous le remercions لأن رأينا خدمته. Et nous on l'a vu في الإسلام. Dans l'islam. في الطريقة. Dans la وفي الفائدة. Dans la والآن أنا سأقول له. Moi je هو فخر الفائدة. C'est ça que euh, le trésor de Faïda. Fakhru Faïda, c'est. Euh, comment on appelle Le fierté. Le fierté. fierté de la Faïda. Alain, le Sanola, Cheikh Gaouzou Fakhrul Faïda. Cheikh Gaouzou était fierté pour la Faïda. Non, ou Alain Fakhrul Faïda. Maintenant, il est la fierté de la Faïda. Nous le remercions. نطلب الله wa ta'ala, أن يطول عمره en nous demandant à Dieu qu'il nous donne longue vie avec euh, la santé et, et, euh, et euh, الشيخ الامام الشيخ متجان علي سيسي الامام الشيخ علي سيسي ندعو الله سبحانه وتعالى ان يطول عمره مع الصحه والعافيه حتى السنه المقبل يزوركم هناك في زاويه بجاه مولانا شيخ الاسلام لان هذا الزاويه زاوية الشيخ الإسلام زاوية لا زاوية لشيخ الإسلام نسخة من زاوية الشيخ الإسلام صندوق doute زاوية la الإسلام de الوظيفة الوظيفة الذي قرأنا هناك. الوظيفة qu'on a من de suite. وذكر الجمعة. أي لا ذكر الجمعة. والله كنت أعتقد أنا في داخل المدينة فقط. إيه، إيه، إيه، إلى تأكل مع مدينة باي كان ممكن هو يتغير. souvent il se كان ممكن هو ياخذ لون يعني وتغير طريقه طريقه اخر للوظيفه لان هناك ابجان كثير يستعجلون وظيفهم بسرعه. Il y en a plein de Wasifa, ils ont changé la litanie des de, de, de Wasifa, litanie du Zik. ولكن هو أخذ أصلي. Lui, il a laissé de, comme tel et tel أصلي. هذا يدل أنه. Sans doute on dit.

هذا كل اللي قال الشيخ الاسلام الشيخ الاسلام الشيخ الاسلام نشكره جدا فخر للفائده l'espoir de la faïda. La fierté. La fierté de la faïda. De la faïda. La fierté de la faïda. Fakhrun de la tariqa tijani. Tiens La fierté de la tariqa tijani. Fakhrun de la islam. Tu la fierté de l'islam. On a ونشكره جدا. من زار هذه الزاوية. Celui qui a fait زيارة dans cette زاوية. زار زار زار du Cheikh الإسلام. Il a fait la زيارة du Cheikh Islam. وزار زيارة زار مدينة Munawara. Il a fait la زيارة de Medina Munawwara. الحمد لله نشكر ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يطول عمره. آمين. آمين. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يطول عمره مع الصحة والعافية ويأكل مالا كثيرا طيبا مباركا ويعطي لهذا المريد ان شاء الله يزيد يوما بعد اليوم. هذا بدايه فقط. on eh, eh, مولانا شيخ الاسلام. على الاسلام. مع ذلك الله يبارك ونشكر ايضا ونشكر ايضا هذا الاخ. لانه وجدنا يعني جهده. في هذه الفائدة في هذه الطريقة في هذا الإسلام لأنه يتحرك في كل بلاد لأجل توزيع أعمال الإسلام dans le travail de, de l'islam. للطريقة التجانية بالفائدة إبراهيم إيه، وهذا كله على حسابه إيه، ولكن, الذي يفعل الله يرى ذلك والشيخ تجاني يرى ذلك إيه، ومولانا الشيخ الإسلام يرى ذلك ونرجو من الله سبحانه وتعالى إن شاء الله هذه هذه التلفزة ان شاء الله يكون اكبر تلفزيون في العالم ان شاء الله بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عنده مقر في ليغوس في ابوجا في ابوجا في كانو في كانو في مكان حتى في كولة حتى في كولة إن شاء الله إن شاء الله صلى الله عليه وسلم وعلى ذلك الله يجزاك السلام عليكم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جزاكم الله خير أه، اسمي شيخ خليل ابن الحاج عبد الله شيخ الاسلام الحاج ابراهيم نس من مدينة مولانا شيخ الإسلام الحاج إبراهيم يس رضي الله تعالى عنه أه، النصيحة لمريد الطريق التجاني كما أنصحنا شيخ الإسلام فلتمسكوا الطريق التجاني لأنه الكنز الأحياء والأموات وطريقة التجاني نعرفه من الكتاب والسنة وشيخ الإسلام حاج إبراهيم يسر رضي الله تعالى عنه فعل كثير المقابل في طريق التجاني ونصح كثير من الإخوان إخوان كلا بمسك الطريق التجاني نحن ما عندنا سوى طريق التجاني وطريق التجاني والذي ولد بفيضة إبراهيمية والفيضة إبراهيمية نعرفه مولانا الشيخ حمد تجان رضي الله تعالى عنه لقد تبلغ بأن سيأتي فيض على أصحابه حتى يدخلون الناس فيه أفواجا أفواجا أفواجا ورأينا هذه الفيضة والحمد لله لما أتى هذه الفيضة الشيخ أحمد تجاني رضي الله تعالى عنه لما توفي القدر الذي ترك من المريد التجانية لما أتى شيخ الإسلام حاج إبراهيم يس فعله بكثير كثير كثير كثير منه لو كان الشيخ تجاني بالمثال تركه بمليون ومولانا شيخ الإسلام حاج إبراهيم يس تركه بمليار وهذا كلهم نفحة الشيخ تجاني وبركته ونفحة الرسول صلى الله عليه وسلم وبركته وننصح الإخوان جميع إخوان المسلمين نمسك بطريقة تجاني طريقة تجاني استغفار والصلاة على النبي ولا إله إلا الله وهذا كلا في القرآن وسنة لله حمدي هم شكري سائلا من فضله أن أتم الفضائل لله حمدي ثم شكري سائلا من فضله أن أتم الفضائل وإنني أسأله الديانة والزهد والعفاف والأمانة أقوى على دفء وجلب قاسداً وجه المهيمن إليه قاصدا أدرك من مضى أفوت من بقى وإن تسابق الرجال أسبقا أقدي لكل أولياء والعلماء كل المراد مفردا وعالما لا أجزاء لا كسل يأتريني حتى تنينني وتشتبيني حميتني وصنتني فالحمد لله دائما يقول العبد مغفرة وتوبة واسترا والهدي والتوفيق ثم الأدرى دهرا فصليا على المختار وآله وصحبه الأبرار ومن يحبني ومن يراني في الجنة الخلد بلا بهتان إذ أنني خليفة التجاني موهبة من سيد الأدنان L'année dernière d'ailleurs, quand je le trouvais à la, comment on appelle ça, à Medina, il me disait que, ah, cher ami, j'ai perdu tous mes appareils. Voilà, j'ai failli avoir les larmes aux yeux quand il me relatait cet événement. Mais, Dieu se le sait derrière quoi il court. Franchement, c'est quelqu'un, tout à l'heure, le chef même disait qu'il a même suivi ses reportages un peu partout quand il était en Gambie. Franchement, lui aussi, il est polyglotte. Il parle aisément la langue arabe, la langue française, la langue yoruba, la langue, quelle langue encore Anglaise. Et d'autres langues, je ne sais. Lui-même, il est une expression même de la faïda. <laughs> tout à l'heure, quand il prendra le micro, vous allez vous le découvrir. Donc c'est tout ça, il est venu avec une forte délégation. Ils sont tous la bienvenue dans leur zawiya. Et aujourd'hui, moi-même je viens de Korogo, où je suis venu pour accueillir spécifiquement notre chèque, le fils de notre chèque, à la personne de chèque Khalil. Et chèque Khalil, sincèrement, il aime cette zawiya. Et nous aussi, nous l'aimons. Parce que, oui, oui, spontanément, mhm. il est venu comme ça dans cette zawiya. Et il me l'a dit. Il dit, nous suivons vos activités et sache que nous t'aimons. Et nous aimons Cheikh Khalil pour cela. Il est quelqu'un de très discret, mais de très conséquent. Fasse Dieu que sa baraka en ce jour-là aussi nous anime. Donc, euh, Fatiha Salatul Fatih. إله والأي القيوم ما صبرنا لازم لزي إله إله والأي القيوم ما صبرنا لازم لزي إله إله والأي الكريم اللهم صل على محمد فاتح لما كاتح لما سبقنا سراتي راتي ولا صراطك المستقيم ولا بلازم الله اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما كاتب لما سراج بلاد ولا جيلا سراج المستقيم ولا دار لازم Dear viewers, uh, we are presently uh, at uh, Yopugo, uh, Ivory Coast, Abidjan, with uh, our sheikh here, the uh, Uh, the grandson of Sheikh Ibrahim Iyas, mm -hmm. the son of the first Khalifa, Sheikh Abdullah. His name is Sheikh Khalil. Uh, we are at the residence of uh, Sheikh المحترم Gauzu Kone, Fakharul Faida. He has said a lot about uh, Faida Tijaniya that the shuyukh, whatever you have, don't try to make life hard for the murid. When you have something, you give your murid. Then, as a Tijaniya, you don't have to sit at home doing zikr and expecting people to give you money. You have to work hard you have to pay zakat, you have to work. Because Prophet Muhammad, kana tajiran. Le prophète était un commerçant aussi. So we have to work, you have to trade. That is what he said just now. As to everyone watching us, that whatever you are, wherever you are, you have to work hard and you have to help each other. May Almighty Allah in His infinite mercy bless uh, Sheikh Gazukone because he also contributed to Yai TV every time he used to pray for us when we meet at Kaulak, anywhere we meet. He's a very nice man. we pray that God bless him. Amen. And our Sheikh, uh, Sheikh Nias, this is our Sheikh Soibul Faido now. Here, may Allah bless him. May Allah be with him. Ọlọ́run kó dúró do not long Yoruba rapidement. A dúpẹ́ fọlọ́run. For the alhamdulillah. And then national. <laughs> So, Sheikh Gausu Kone Ibẹ̀ la wà Bye. Yòpúgàn báyìí lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ní Abidjan ó dẹ̀ sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ nípa pé àwa tá à ń pera wa ní muridi sheikh sheikh tijani muridi sheikh ibrahim ká gbìyànjú ká ṣiṣẹ́ ọwọ́. àmín àmín àmín sheikh àmín yasir ibrahim àmín àmín àmín àmín sheikh àmín. Amém. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد فاتح لما فاتح لما سبقنا سبقنا ولا إله صراطك المستقيم ولا كقدر ومقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما فاتح لما سراج الهادي ولا إله المستقيم والله قدر من العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما فاتح لما سبقنا سيادي يادي والهادي لا المستقيم ولا قدر ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ان شاء الله